Je pense que le sujet de la paix est un sujet assez important. On devrait recevoir plus de jeunes. Il faudrait à ce que les jeunes s'intéressent plus à ce sujet-là. Aujourd'hui, vous avez vu comme moi, on a comme il n'y en a pas une cinquantaine de jeunes qui sont présentés. Voilà, donc les jeunes devraient prendre plus d'initiatives et s'intéresser à ce, facteur. Donc je, euh, moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai suivi, c'est que le thème, le thème en tant que tel n'a pas été suivi par la plupart des intervenants. Le thème, c'était le rôle de la jeunesse. Et tous, ceux qui ont intervenu ont plutôt parlé de ce qui n'a pas été fait, ou ce qui n'a pas été bien fait, ou ce qui devait être fait. Voilà, par d'autres. Maintenant, nous, la jeunesse, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'on doit faire mieux. Voilà, je vous donne une simple, un exemple tout simple. Tout de suite, le frère, malien qui était là, en 91, il y avait une rébellion au Mali. Et qu'est-ce qui s'est passé À Gao même, dont, il a parlé, c'est les jeunes de Gao qui ont formé ce qu'on appelait les Gandakoi. Vous dites ça un Mali, il sait de quoi il s'agit. C'est des jeunes qui ont pris leur gourdin, qui ont pris leur courage à deux mains, qui ont fini la rébellion à Gao. Aujourd'hui, les Gandakoi sont reconnus même par l'État malien. Nous, les jeunes, on est là, assis à prendre du thé, à discuter entre nous. Qu'est-ce qu'on fait comme initiative Qu'est-ce qu'on veut faire pour réellement amener cette paix chez nous. Parce que vous savez, on discute entre nous à Niamey, parce qu'à Niamey, il n'y a encore rien. C'est facile de parler de paix parce qu'à Niamey, il n'y a encore rien. Allons-y à Difa, discutons avec ceux qui ont connu la guerre, ceux qui ont fui la guerre. Et avec eux, on saura qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Selon moi, le niveau d'engagement de la jeunesse à travers la conférence qu'on vient d'animer, on a été éclairé sur beaucoup de choses. Et ça a été un cadre d'échange vraiment très enrichissant. Donc ce que nous jeunes, nous devrons jouer comme rôle ici, c'est comme l'a dit l'ancien, être en même temps les guetteurs et les protecteurs. Guetter, c'est de voir autour de toi qu'est-ce qui ne va pas. Quand il faut dénoncer, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut dire. Par exemple, ce qui s'est passé à Galmi avant-hier, c'est parce que quelqu'un, il a été vigilant, il a vu ce qui allait arriver, il a informé et directement, il y avait eu une intervention. Donc, si aussi, nous, nous sommes dans le rôle là de superviser et de dire aussi, de dénoncer, si je peux le dire, il faut aussi que la personne qu'on va contacter, qu'elle réagisse aussi urgemment ou bien dans le temps pour qu'il ne faut pas qu'il y ait après des échos, d'autres dégâts et qu'on dise que ah, déjà on a eu à annoncer mais on n'a pas eu d'intervention.